Monsieur le ministre, je voudrais vous saluer, saluer vos collaborateurs et euh, dire à un enseignant que l'éducation est importante. C'est mais ce que je peux vous dire, je voudrais d'abord vous remercier parce qu'au niveau de l'Assemblée nationale, vous nous avez fourni des documents quand même chiffrés sur le nombre de lycées, collèges, écoles élémentaires que vous avez quand même euh, construits. Donc c'est important que nous, en tant que parlementaires, qu'on puisse consulter nos documents. Autre chose est que je voudrais m'apesantir sur euh, le département de Thiès. Monsieur le ministre, euh, dire qu'on a beaucoup fait sur euh, l'enseignement, parce que c'est général quand on parle de l'enseignement. Et je serai à l'aise de le dire devant vous, parce que vous avez, au niveau, vous avez été au niveau du ministère de l'enseignement professionnel et vous avez quand même eu des résultats nets, papables et précis au niveau de ce département. Soyez-en remerciés et félicités. Mais au niveau du département de Thiès, c'est vrai, vous avez beaucoup fait, monsieur le ministre, parce que quand même, nous, ne savons que Thiès, même ñun ñi nga xam ay ndaw lañ xamoon nañ ne un passé récent lycée la au niveau du département muy waa Xombol ak ñi nekk ci département bi lycée aujourd'hui rien que dans la commune am na cinq lycées département bi waxaale donc loolu rek exactement toll c'est important de le dire c'est vrai que nous avons un manquement manquements au niveau des tables bancs pas au niveau de la commune mais au niveau du département parce que avons un lycée collège ak yeneen un département Thiès parce que il y euh, a fa nekk if IEF bu Tivaouane IEF bu Mbour 1 if Mbour 2 IEF euh, Thiès département ak IEF Thiès ville nous avons les besoins et je pense que am nga li nga ni statistiques yi et bo xolé total IFB il y avait 53 000 total total lycée 4 300 donc lolu mu donne manque table banc bien que wax ngeen di am 300 000 table banc cette année mais dañ lay fait Thies, Thiès na quand même deux bo xamné war nañ mun seddu ko bu baax ci lolu pour vraiment lijjanti problème les au niveau des blocs scientifiques yu bees yi muy monsieur le ministre vous avez mis du matériel lourd matériel lourd nak dafa de ak sécurisation donc aujourd'hui nous, nga xamné ñoy IAI saisir nañu lolu travailler avec le ministère de l'intérieur pour sécuriser ce matériel parce qu'on ne peut pas investir énormément de moyens au niveau de ces blocs scientifiques d'autant plus que le président de la République sa vision de dafa bëgg professionnaliser enseignement professionnel technique Pareil, nous ba pare ce matériel là te du sécurisation donc loolu monsieur le ministre nous ngi koy jooy foofu nañ vraiment ngeen jàppale leen ci loolu li ci des nag mooy déficitu enseignant yi am na ci aussi au niveau de l'élémentaire pas au niveau du secondaire parce que sur ce plan là il bi gis nañ ko amul problème mais au niveau de l'élémentaire am na lu des te li ci ëpp nag monsieur le ministre il faut que ñun aussi ñuy waxante dëgg enseignants yi ñëpp dañoo bëgg a génn classe yi te c'est pas possible c'est vrai que c'est bien des fois dem feneen mais il faut que les enseignants aussi parce qu'ils le sont par vocation ñenn ñi donc je pense que c'est aussi amna solo pour que sensibilisation ji gëna pour que vraiment ñu mëna continuer nek au niveau de ces écoles pour mëna a xal donc vraiment c'est dal moy li nga xamné bëggon na wax sinon di la encourager di encourager collaborateurs di saluer ma sœur Ndeye au passage di wax né au niveau de l'enseignement récrimination yi monsieur le ministre mënul bari parce qu'on a vu que le président de la République par rapport à sa vision dafa lèr nañ ne mom li le fek fi lañ jëm parce que boy wax do wax naan jafé jafé jafe am na mais dañuy xol fi ñu jóge ak fi ñu jëm loolu mooy bilan nga xol 2012 li lañ fek tay bi 2019 li lañ fek té loolu da ko documenté indil ñu ay chiffres ñu né table banc lii ci des li la wara def école li lañu tabax école élémentaire li la def ci matériel euh, lourd ci bloc scientifique li lii def donc loolu je pense que l'air et on a ces documents-là. C'est pourquoi, monsieur le ministre, je voudrais vous encourager, vous féliciter et vous souhaiter bon vent. Merci, chers collègues. La parole est à la...